émission culinaire Togustar, la seule émission qui renvoie nos stars derrière les fourneaux pour la bonne cause. Mboki, émission Nos stars vont représenter des associations caritatives ici au Sénégal. D'entrée de jeu, des associations ont un lot de vivres et de non vivre Mais le gagnant ou la gagnante de cette émission remportera un chèque de 100 000 francs offerte par la LONAS qui sera versée à l'association qu'il représente. Ne bougez pas, nous allons vous présenter vos stars dans Togu Star. Bonjour mesdames. Tout va bien ici L'autre sage-femme là, elle est nouvelle, donc je vérifie si elle n'a pas fait d'erreur. La jeune sage-femme, elle a dit qu'elle n'arrive pas à trouver le carnet de suivi de ma soeur n'ai pas besoin de carnet, moi. Je connais toutes les femmes qui viennent ici. C'est moi et moi seule qui suis la sage-femme de votre soeur, C'est compris Ok. Je vais aller euh, rejoindre un ancien camarade de promo pour mon école à Paris. Parce que je suis mes wut et tout. Je suis aller ben way bo xamné affaire. Mais vas-y chérie. Si ça peut te permettre même de Pourquoi pas ah, En tout cas, moi tu as ma bénédiction. Bonjour, euh, moi c'est Awadji de mon vrai nom, et Corsa, euh, mon nom de personnage. Alors, euh, je suis comédienne, je suis technicienne horticole, et je suis une bonne femme. Voilà, ça c'est moi. Je m'appelle Evelyne Gomis. Aujourd'hui, vous allez me voir sur Togustar.

de vivre et de non vivre mais qu'elle si de remporter chaque 100 000 francs offert par la LONAS qui sera versée à l'association qu'il représente alors Mobile je vais choisir cette association. à qui euh? bon Evelyne. d'accord Awa. Evelyne. association nous Help Yourself est une association à un but non lucratif qui se met au service de la société. Euh, j'ai accepté de participer. Euh, tout d'abord, c'est un plaisir d'y participer. Et en plus, euh, c'est pour une bonne cause, pour aider une association voilà, qui est là. Awa association de Avenir de l'enfant. Avenir de l'enfant est une association fondée en 1990 et dont la mission est la prise en charge des enfants de la rue. On a l'habitude de voir plein d'émissions à la télé, mais quand même, euh, quand on te parle des enfants, étant une mère, tu as envie de donner ta partition. La cause est noble, alors je me suis dit que pourquoi pas. Mesdames, n'oubliez pas que vous serez jugées par un invité sur les quatre points à respecter. Présentation, l'originalité, la propreté, mais surtout le goût. Mesdames, place à vous. C'est un plat pas compliqué à faire bon et qu'on a l'habitude de manger pendant l'été quand il fait chaud. Déjà, il y a du citron, de l'oignon cuit ou cru, tout ça, un peu de couleur, poivron rouge, jaune, vert. Et euh, si tu as ton bon poisson, que ce soit du dorade, un, bon chof, et c'est facile quoi. Je prépare du étoyé. Quand on parle étoyé, étoyé vient de la, de la région sud du Sénégal, de Ziguinchor. Alors c'est des feuilles de manioc qu'on prépare avec euh, de la poudre d'arachide avec du poisson, avec tout ce que vous voulez, crevettes, euh, euh, euh, gambas, machin. Et voilà. Donc c'est naturel et ça a du goût et c'est digeste. En fait, vous le mangez, vous êtes cool quoi. Un jour de dimanche, vous mangez du etayay, tout le monde vous envie. Aujourd'hui, tu sauras qu'il n'y a pas la hein. L'asana, tout ce que je fais là, c'est pour vous. En fait, moi, j'ai pas de chance. Moi, je travaille pour vous nourrir, quoi. Mais c'est ça. Mais bon, affaire de nourriture, là, aujourd'hui, ça va. Ça va chauffer. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je ne suis pas modeste, hein, parce que c'est l'arme des médiocres il faut vraiment être une femme, je suis une femme au foyer. Alors, euh, côté cuisine, vous serez étonnés parce que j'ai mes trucs et mes astuces. dugg na waañ ah samay ndaandaan dugg nañu waañ nag rebonjour. bonjour. Evelyne. oui ça va. ça va très bien. est-ce que mën nga ma wax tuuti rek originalité ce plat. Euh, sama origine originalité bi mom euh, jarul ma kay waxat dama koy répéter rek parce que ñepp xam nañ c'est bon plat wu été la limon tu vois doko lek ngay diis jarul sax ngay def digestion yu bëri yooyu bëriwul gras absolument amu sax gras mën nañ wax citron la oignon cru te xam nañ oignon cru voilà wax ma tuuti say ingrédients euh, ndugg bi ndugg bi déjà ndugg bi tout est impact euh, jën yaangi ni waas naa ko ba paré tranche ko euh, dougal na samay légumes pour raxas leen amna naa kanje amna lach soblé pour l'instant de may di dugg kaani ak poobar rek wa netatu baangi ni nii bi tu vois ak koog yi damay tangal tuuti ndox moo xoj leen si xaw leen ras dindi souf si ak yoyu maa ngi dëbb tuuti n'okos pour mariner samay jën comme tay numa ma ko waxé rek dañu xam c'est bon tout le temps da ngay def braisé tay damay def au four je change un peu tey damay def au four. wa tay au four lay def. legui dafa am ben numéro parce que nit ñi seetaan ñoom ñëpp mën nañ participer ku ci nek mën na yónnee dafa am numéro bi nek ci suuf mom la ñuy wala ñu yónnee fofu non sen don. Euh, mbokk Sénégal yëpp lay wax muy goor muy jigen muy mag muy ndaw euh, ci suuf sen écran di ngeen am ben numéro bu jall

yëre bi nga xamante ne sol nga ko année passée solo ko jël ko nga mbuus ko nga andi ñu ko ñu numéro bi mi ngi affiché di woote à tout moment di nga jot nit euh, bañuñu dara bañuñu dara bu kenn xeet dara waaw euh, dañ fi nekk ñun ñëpp di jàppale wante te xam naa ne euh, liñ leen di bégal rek doyul ah moo tax ñu dellu siwaat di bëgg itam di kon ne di leen bégal bu ko defee ngeen ngeen ñuy jàppale ñuy mën a jàppale ñeneen ñi alors euh, mbokk yi yéen ñi ñuy seetaan bëgg participer yónnee seen don bu leen fàtte numéro baa ngi ci suuf faites parler vos cœurs Togg Star ñu dem seeti Awa Awa na nga def. maa ngi nii rek ça va ça va très bien. maa la raw. Awa man lenn moo ma jaaxal démb dama la fekk ci benn tournage nga nekk ci ba 3 heures du matin ñu oo la tey nga xëy bàyyi li nga def loolu noonu yëpp ñëw jàpp ci pour lan. xalima xam nga nag. Mhm. Euh, nit lu xol bokul dara bokk ci mhm. euh, démb xëy tournage bi c'était personnel. Mhm. ndax euh, luma ci am man lay lay. mais tay c'est pour la bonne cause. et puis comme li may wax rek émission yu bëri jàll na fi gis nañ fi façon façon cadeau bu nek mais bi c'est le cœur qui parle alors j'ai envie de faire parler mon cœur lo ci xamul moy association yi dañu am ay lot de vivre et de non vivre manam amna yuñ len jox ay loowu dundu muy euh, muy lek muy euh drap lal lepp lu ngeen xalat rek dajale nañ ko jox ko association yi mais li c'est un surplus ku ci ndek emporté dina indi association am chèque 100 000 francs offerte par la l'ONAS qui sera versée à l'association qu'il représente awa mbaa wóolu nga sa bopp parce que Evelyne nee na mënaloo ko dara moom nee na ay vieille marmite lay lay <laughs> lay toggee. mais xam nga moom dafa daal di toog boppam chéri ndax lu ñu wax ci vieille marmite. <laughs> nee ko yaa yaa njëkk dugg waañ de. mon papa il a l'habitude de dire que les biens c'est superposé en fait il y a une chose qui est là il y a une chose qui est là, il y a une chose qui est là. Donc à partir de là, c'est Dieu qui donne directement. Mais pour que les choses descendent, il faut que ce qui est là et là descende, parte vers les gens. Alors,

association bi rek ngeen japp ci parce que euh, amuñu dara euh, lu dul yeen te yeen tax ñu nekk ci écran bi euh, comme buñu ñu j'espère que yeen di ngeen teew

est-ce que 30 minutes bëriwul d'accord c'est bon. ma dit, di il vous reste 30 minutes te bu leen point len di juger c'est très important. Mhm. d'accord ok. Evelyne ah c'est bon c'est bon ça commence à prendre forme là. Hein? mais ça l'a déjà pris. Ah, ah, ah. ça l'a déjà pris. Evelyne ma dit, di que temps bi dafa importance donc il vous reste 30 minutes. 30 euh, minutes voilà. ah. ah man de sama ndaanaan yi nag ñoom ñoom ñoom bokk ñu si de ñoom temps bi sax dañ ciy dañ ciy dañ concurrence bi Ah, je ne l'ai pas encore goûté. Evelyne Pardon. Pardon, éloigne-toi de ma marmite, pardon. C'est quelle affaire de sorcellerie ça Pardon, hein C'est pas moi, oh, c'est toi. Ma chérie, faut aller t'occuper de ta sauce feuille là. sauce baobab là. Il y a quoi ici Faut laisser tomber. Il ne reste plus que quelques minutes. Corsa représente l'association Avenir de l'enfant. Evelyne représente l'association Help Yourself. N'oublions pas que nos stars sont jugées sur des critères très serrés. La présentation, l'originalité, la propreté et le goût. On va aller voir nos stars. Mesdames, il ne reste plus que quelques minutes. Vous pouvez déjà commencer à faire la mise en place. L'invité va venir goûter et donner fatale pour <laughs> Alors, on vous revient tout de suite dans votre émission Togou pour vous présenter les plats. lu bees PMU multi 4 à 7 jouez len ci multi 4 à 7 bi leen may ngeen tànn ñeent ba juróom-ñaari fas te njëg li di soppeeku rek lay doon ak multi yok leen seen wërsëgu ngañaay joué len PMU ngir tegu ci yoonu alal. que vous attendez tous, nos stars ont fini. Il ne reste plus que 5 secondes et on va côté ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Levez les mains, mesdames. Levez les mains, c'est fini. Maintenant, nous allons accueillir notre invité pour la dégustation. que ça va. Euh, je sais que le, plan que le plat que je vais présenter, autant pour moi, euh, sera bon. Non, mais cette fille-là, elle est forte. Eh, Yako, il a fait exprès de choisir ses bons pour prendre des points en avance. Non, mais moi, je reste avec mes feuilles. Je suis sûre que je vais gagner. Ça, c'est une évidence. Ok, yi y a ngi ci seen émission Je suis ba légui suñu invité mu ngi nii je suis départager suñu ndandani. bonjour monsieur. bonjour vous allez bien. ça va présentez-vous à nos chers téléspectateurs. bonne journée je m'appelle Mauro je suis le gérant le restaurant au souvenir je suis italien et je suis prêt pour déguster la bonne cuisine sénégalaise. très bien je pense que tout est dit Légui nak dañuy bàyyi rek suñu invité mu xol ak suñu je vous retrouve dans quelques instants moi. Bonjour madame. Bonjour Ça va Ça va, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que propose la cuisine En fait, euh, aujourd'hui, je propose une sauce euh, à base de feuilles de manioc. Oh, wow. Une euh, spécialité de la Casamance. Euh, alors, ben, c'est fait à base de, feuilles de manioc, plus euh, euh, un peu de poudre d'arachide, plus du poisson et les, les, fruits, de mer, les fruits de mer. Oui. crevettes, huîtres. la sauce rouge C'est de l'huile de palme. Ah, Mais c'est à la guise. Hein. On peut manger sans ou avec. C'est à la guise. Si vous en voulez, vous prenez avec de l'huile de palme. Sinon, vous pouvez le manger comme ça. Voilà, c'est extrêmement important pour eh, reconnaître aussi tout le système de la culture et aussi de la santé. Ça, c'est vraiment important. Alors, bonne dégustation, monsieur, et bon appétit. Merci. Merci. Un plaisir. La longévité, c'est avec les feuilles. Quand tu veux vraiment euh, vivre longtemps là, ne mange pas ce qu'elle prépare. Il faut manger ce que moi je prépare. Parce que moi, avec moi, tu es, tu es parti pour avoir 120 ans. Hein. Ça, je te le dis. Félicitations. Merci beaucoup. Très, très bon Merci. Hmm. Donc, madame, euh, merci beaucoup. Votre assiette, c'est vraiment magnifique. Maintenant, je vais goûter l'autre concurrent et après, on se reverra. D'accord. Bonne dégustation aussi pour de l'autre côté. <laughs> Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va Ça va très bien. Aujourd'hui, les plats du jour, c'est euh, C'est bon. Voilà, je vous présente, c'est bon, c'est le plat que j'ai confectionné. Euh, c'est très joli, la présentation, c'est vraiment... Merci beaucoup. Euh, c'est un plat euh, typique du Sud, euh, Giguinchor, Bissau, tout ça. C'est un plat qu'on a l'habitude de manger pendant l'été quand il fait chaud. on prépare le riz avec un peu de crevettes séchées dedans, un peu de coque. On prépare du poisson braisé avec un oignon cru ou cuit beaucoup de citron. Voilà, on met beaucoup de couleurs dedans. Mm, mm, non, ça, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et c'est bon, c'est vraiment l'assiette sénégalaise que, j'aime beaucoup. Ok. Donc, euh, il faut que, je goûte absolument cette assiette. Voilà. Merci. Donc, euh, d'abord, euh, je goûte la sauce bizarre, c'est très intéressant. bien. C'est très bien fait. bon aussi le poissons, Félicitations. Donc merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup monsieur. À bientôt. Ok, yi gis que M. Mauro Maodo dem ba déguster plat yi léegi nag Les xool verdict bi ak point yi monsieur vous allez bien oui, vous avez bien dégusté j'espère c'était bon oui, ok alors donnez-nous les notes Là aussi moi j'avais réalisé les assiettes avec euh, la base de la technique mhm. les goûts mhm. aussi de l'originalité et de la présentation exactement d'accord donc on va commencer par la propreté sur la propriété, moi je pense que laisser bon, c'est plus euh, attirant à, à qu'est-ce que c'est la, santé. Donc, mm -hmm. un, deux votes en plus respect. Mm D'accord, donc vous avez donné la note de 9 pour Evelyne, propreté 9 pour Evelyne, Evelyne 7 pour Corsa, c'est serré. Hein. Voilà très serré. Oui. aussi sur le goût. Non, le goût, on va laisser ça après. On va sur la présentation. La présentation aussi, malheureusement, euh, je préfère euh, laisser Ah, c'est serré là, hein, c'est serré. Donc la présentation. D'accord. Euh, hmm, vous êtes attiré par les couleurs. Ok. Donc pour la présentation, Evelyne remporte la note de 8, 9 euh, et Corsa la note de 8. Ça sert, ça sert, ça sert. Donc l'originalité. l'originalité, ça c'est clair que Corsa avait fait mieux parce que mhm. ça c'est un assiette qui vient dans une zone particulière et mhm. avait bien représenté cette euh, zone géographique du Sénégal. Bien sûr. Donc, pour l'originalité, vous avez donné la note de 9 à Corsa et, 8, à Evelyne. Et aussi sur les goûts, il faut que pour le... mettre en euh, que l'assiette de Corsa, c'est vraiment très bien fait et la qualité des de les mix la sauce aussi. Vous trouvez, le plat de Corsa, le goût est meilleur et plus raffiné, c'est ça. Pour le goût, Corsa a la note de 9, Evelyne à la note de 8. Donc, celle qui remporte le prix aujourd'hui, c'est... C'est Evelyne. Boki yi Evelyne est la gagnante de Top Gustav. Je savais que je l'ai gagné. Je savais. Je savais. On a l'habitude de dire, dans les vieilles marmites, on fait de la bonne soupe mais avec moi là. C'est pas la vieille marmite, hein, mais je savais que c'est avec ma marmite là qu'on allait faire la bonne soupe. <laughs> J'ai gagné Corsa, aujourd'hui là, je t'ai affronté. Je t'ai affronté <laughs> Evelyne, bravo <laughs> Félicitations Corsa, tu peux venir nous rejoindre moi, je pense qu'il n'y a pas de perdant Vous êtes toutes les deux gagnantes parce que nous fini toute la journée nous des togg bi euh, ndam donc sur plus Bob euh, euh, euh, je ne dirais pas qu'il y a une perdante, parce que d'entrée de base, il y a les lots de vivre et de non-vivre. Evelyne, là, moi, ce mot. ce moment, moi, déjà, je suis contente d'être la gagnante et je suis contente euh, euh, d'avoir participé à cette émission pour la bonne cause. Et je ne suis pas la gagnante, comme on dit, c'est les enfants qui ont gagné parce qu'on se bat tous euh, ou toutes pour ces enfants. Mhm. Voilà, c'est pour les enfants. Corsa ça me fait un choc pour être sincère. <laughs> Mhm. Et je sais que je l'ai fait avec beaucoup de cœur, je l'ai mhm. fait avec beaucoup de trucs. pour être honnête, je tu ne t'attendais pas Non, par rapport à la... J'aurais aimé euh, avoir une sous-moyenne par rapport à la... À, la, autre chose qu'à la propreté quand même, parce que j'y tiens beaucoup. Euh, j'ai tout fait pour mettre le propre, j'ai donné de... Alors si c'était par rapport à l'originalité, au goût, et ça c'est relatif, mais à la propreté quand même, avoir une sous ça, ça me Tu sais quoi, je te promets que tu vas revenir Ça, ça me fait mal. Non, tu vas revenir, parce que je sens la compétence donc 26, c'est fort. Donc tu vas revenir dans cette, euh, dans cette émission et tu vas remporter euh, le chèque pour l'association. l'ai aimé, euh, au côté goût, avoir un. un. Mais côté propreté, non, avoir plus que ça. <laughs> ouais, mais bon, c'est le juste. C'est pour la bonne cause. <laughs> ok, pour vous ngeen mën a nekk ci àdduna mën ngeen participer joxe seen don numéro bi nekk ci suuf rek ngeen di woote wala ngeen yónnee foofu noonu seen don d'ici là n'oubliez pas les associations comptent sur vous